Edouard Latouf, membre du cadre de concertation pour le développement de la ville de Thiès. après le lancement, vous, euh, disons, euh, soit c'est le concept face au soit... Oui, c'est un cadre d'expression plurielle euh, des, positions, des uns et des autres. Si nous, avons, si nous avons estimé aujourd'hui euh, devoir inviter un acteur de développement, c'est pour donner un signal fort à l'endroit de la classe politique de Thiès pour le dire que l'avenir ne leur pas seulement. Euh, Thiès a besoin d'entendre tous les acteurs. Nous, avons, nous à l'entame du lancement du cadre de, de, de concertation de, la ville de Thiès, nous avons dit à haute intelligible voix qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de favoriser le débat d'idées, la force des arguments et non l'argument des effectifs de la calomnie. Pendant très longtemps, nous avons constaté que Thiès a été l'otage de politiques, d'hommes politiques euh, qui souvent euh, mettent plus en avant leurs intérêts que euh, ceux, de, des populations de Thiès. En lançant ce débat, nous allons voulu un peu travailler à pacifier stade politique thiessois pour amener les acteurs à plus s'intéresser des questions gratifiantes de l'heure. Les questions aujourd'hui qui se posent au niveau de Thiessois, c'est comment faire aujourd'hui pour faire en sorte que cette, cette ville-là qui a été qui a, longtemps, qui a été un acteur euh, important, qui a longtemps joué un rôle euh, déterminant pour l'avènement des deux au Sénégal, pour que cette ville-là, en tout cas, puisse s'inscrire dans, la voie du développement et sur les rails du développement. Pourquoi le soir d'Aline Sarr le soir de Sarr, c'est quelqu'un qui a. Bon, c'est pas, pas un secret de polichinelle que c'est quelqu'un qui, a, qui s'est beaucoup investi dans le développement, euh, dans l'enfance. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est conçu une référence euh, une référence, un exemple au niveau au sein de l'opinion publique chersoise, on a estimé, euh, au lieu d'inviter pour, le lancement un acteur politique, inviter au moins un acteur de développement pour montrer à l'opinion publique chersoise que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas des questions, ce n'est pas, pas, de nous intéresser aux petits débats politiques, politiciens qui ont toujours retardé euh, le développement de ces villes, Aujourd'hui, nous avons besoin d'acteurs de développement qui ont aussi, qui aussi leur partition à jouer pour euh, pour l'essor économique de la ville de Thiès. Justement, en une demi-heure, à euh, euh, quand même un Thiessois, mais consultant international dans plusieurs domaines, il a réussi à démontrer que chaque année pratiquement, des centaines de millions sont injectés dans la ville de Thiès, sans tambour ni trompette. Oui, oui, oui. Ça dit qu'aujourd'hui, l'alternative Peut-être c'est les autres et non pas les politiques. Non, je crois, je crois, je crois qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, euh, euh, le constat aujourd'hui qui est fait, si vous voyez aujourd'hui dans les grandes démocraties, généralement c'est des hommes de développement, c'est des, acteurs économiques qui tirent maintenant les politiques. Ce qui s'est passé aux États-Unis, et particulièrement en France, montre à suffisance que quelque part, euh, les, populations se démarquent de plus en plus des, politiques. C'est-à-dire qu'ils ne posent pas d'alternative. C'est-à-dire qu'ils ne, posent pas, ils ne, posent pas, des modèles économiques convaincants aux populations. Ce que vient de proposer Alussard montre à suffisance que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui l'a fait, euh, qui s'est détourné un peu de cette médiatisation-là, qui est le propre des politiques, qui, a, beaucoup investi pour le développement de la ville de Thiès. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé, dans un premier temps, euh, euh, faire un choix sur lui, en tout cas pour montrer en direction de l'opinion publique soise que cette, ce cadre-là n'a rien de politicien, n'a rien de tendancier, n'a rien de clanique. Et justement, comment vous expliquez leur absence, ces, politiciens Vous les avez pas invités Non, non, je crois qu'il faut donner maintenant la, parole aux populations. Mhm. Il faut laisser aux populations qui ont maintenant avec les réseaux sociaux, avec la presse qui joue un rôle extrêmement important dans l'approfondissement de la démocratie, il faut maintenant donner le pouvoir aux populations. C'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui apprécient, avec les grilles de lecture dans la les politiques publiques. C'est eux qui apprécient les acteurs. Il faut leur donner. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui de mettre en place un pouvoir et de le démettre. Il faut leur donner ce pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, dans un premier temps, inviter les populations, inviter un acteur de développement pour montrer aux acteurs politiques qu'ils ont intérêt en tout cas à se rapprocher davantage des populations parce que c'est les populations qui ont aujourd'hui le pouvoir de, de, les installer là où ils sont ou de les démettre. Quelle appréciation le cadre a-t-il aujourd'hui de cette première séance Bon, il faut, il faut voir que euh, on, l'a beaucoup apprécié. Je crois qu'avec le recul, on va essayer d'évaluer, de, de, comment d'essayer d'améliorer, en fonction des invités que nous aurons. C'est vrai que nous voulons aussi susciter le débat politique. Aujourd'hui, beaucoup questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique les rapports conflictuels entre les communes la mairie de ville, c'est les gens qui ont, qui ont aujourd'hui, euh, c'est les populations qui, ont les actions et qui ont ces actions. Les populations sont actionnaires, les populations ne peuvent pas aujourd'hui comprendre aujourd'hui la posture dans laquelle ces, ces maires-là sont inscrits dans une posture de, guerre, de clan, de tendance, qui ne mettent pas en avant les intérêts supérieurs des populations. Je pense que ce débat-là encore sera favorisé. On va, on va essayer de créer les conditions de ce débat parce que les populations que nous sommes ont le devoir de le demander, de le demander de compte. Donc dans les prochains jours, nous allons faire appel à des acteurs politiques de tous bords, sans aucune distinction de parti politique. le cadre a prévu, par exemple, des mécanismes de suivi de tous les problèmes qui ont été soulevés aujourd'hui Absolument, sinon ce cadre n'a pas sa raison d'être. Nous ferons faire, nous allons évaluer. Et en fonction de ça, à chaque fois qu'on évite un acteur politique, nous allons veiller à ce qu'il y ait un suivi. S'il y a des compléments d'information, on prendra son attache. Pas de façon publique, mais on prendra son attache pour voir qu'est-ce qu'il faut, même s'il faut mettre à la disposition des populations des documents par rapport à ces débats-là qui, ont été suscités. On fera en sorte qu'en tout qu'il y ait un suivi, sinon ce débat-là n'aura pas de sens. Si ça, ça doit avoir seulement un aspect, euh, un aspect médiatique, est au suivi, c'est comme si on faisait comme les autres. Et comme on n'a pas, on n'a pas intérêt à faire comme les autres, comme on a, il doit y avoir des ruptures dans le, dans le sens de la prise en compte des saturations des populations, nous estimons qu'aujourd'hui, il nous faut faire des évaluations à mi-parcours et voir quel... Non, l'hôpital libéral, c'est un problème. Je crois que même au niveau, de, au niveau du pouvoir central, des, des initiatives ont été prises. Je crois que c'est un problème où il faut faire appel aux acteurs, aux marabouts, aux imams. Il faut, développer une large réflexion, une réflexion profonde pour voir et prendre en compte aussi les intérêts des, uns et des autres et voir bon, quelle stratégie il faut mettre en œuvre. En tout cas, il faut, poser ce débat-là, il faut faire en sorte qu'aucun acteur ne soit exclu de ce débat-là. Et ça, sera au bénéfice des populations. Euh, euh, secrétaire général du cadre de concertation pour le développement de Thiès. voilà jàkkaarloo ngeen d' euh, abord ngeen may ñu ñu ñu gërëm ki nga xamante ni mooy euh, Aliou Sarr ñu jiite euh, fédération Kajoor Jànken mi nga tey par rapport ak expérience am ak xam-xamam bi nga xam ne démontré na ko fii ñëw na wuy si. wuyu bi nga xam woote bi nga xamante ni Thiès waaye ñoo ko woo pour waxtaan ak ñoom. ñu ngi koy félicité di ko remercier vraiment ci ci présence am ak ci pertinence su exposé bi nga xamante ni moom la ñu defal voilà. ci jotaay mel ni. waaw li ñu ciy wundu mooy keroog ginnaaw bi ñu defee lancement bi ba pare ñu fi tëral benn plan d'action bi nga xamante ni dafay dafay dafay dafay dafay euh, dafay assurer Thiès waaye ci li nga xamante ni moom lañ leen waxoon. parce que ginnaaw lancement bi bi mooy premier numéro bi ñu tuddee ko face au n'est-ce pas ñu wund ci lépp rek comme euh, saytu bi nga xam moom lañ defoon au niveau de Thiès pour que Thiès jëlaat xar-xaru kanamam pour que Thiès dem ci kanam pour que Thiès mën a suqaliku te loolu séntu nañu ko à travers le cadre de concertation donc loolu loolu moom lañ ñu wund tey ci woo bi ñu woo Aliou Aliou Sarr waaw moom xam-xamam moo kenn du ko natable mais surtout ku wax wàllu développement ak lu aar xale yi da koy soxal loolu dañ nga tey communication bi mhm. euh, lan ngeen euh, jàpp ak lu ngeen fas yéene dafay waxtaan bi waaw li ñu jàpp ci wax ji mooy ci exposé bi laal na côté yu bari ci wàllu développement mais daf ñu fekk aussi que ñun ñu am benn projet bu pertinent ci wàllu xale yi parce que euh, le coordinateur du cadre de concertation Abib Kan nous avons envisagé n'est-ce pas bépp daara boo xamante nekk na ci ñu wutal mutuel de santé li nga xamante ni boo feebaratee ca ngay fajoo donc ñoom fekk nañ ci yoon bi donc par rapport ak suivi bi nga xamante ne moom doon laaj léegi je pense que dinañ cheminer ensemble pour que régler définitivement la souffrance des talibés au niveau de Thiès. voilà tey bu ñu gisee salle bi mu wax euh, daanaka ay at a ngi mi ngi liggéey loo xam ne tey jii rek ñu mu mobiliser si ay jigéen ba ñu mënal seen bopp bu ñu leen tegoon ñu taxaw fii ku ñu war a mën a xëccool moom dan la war a jiitu. Mhm. ndax loolu tey wane ne. Et nous rek ñoo war a nekk ci euh, effectivement parce que euh, euh, le temps du travail n'est pas le temps de la politique. Madame, dafa am jamono joo xam ne jamonoy liggéey la. parce que l'élection amul de présidentielle de élection locale de élection législative donc ñun aussi ñu ñëw sangu terrain bi di di di di di di poser ay débat d'actualité ay débat yoo xam ne dafay euh, dafay jëmale Thiès kanam dafay tax Thiès am kom koom loolu mooy ñun politique encore une fois de plus pour que di arnaquer euh, euh, kii askan bi mais dañuy également ànd ak askan bi pour lu leen suqali. donc moo tax léegi man la jamonoy liggéey bokkul ak jamonoy politique la preuve tey gisoo leen fi encore une fois de plus ñi fi nekk mooy ay femmes de développement ay bàjjanu gox ay également li ñoo xamante ne ñoo ŋànk yu bari ci wàllu Thiès ñu fi ñëw tey di échanger di nas di ci naka la Thiès mën a jëmee kanam par rapport ak li nga xamante ne moom la fi Alioune Sarr wax voilà. waaye jotaay tey bi ñu ngi koy rafetlu parce que c'est un premier numéro ñu ngi koy rafetlu après danañ ko évaluer danañ xool lan nga xamante ne moo ci baax ñu yokk ko li nga xamante ne moo des aussi ñu wàññi ko pour que ñaareel numéro bi mën a nekk lu extraordinaire mais en tout cas ça a euh, vraiment quelque chose de positif parce que gis nañ fi exposé bi neex na nit ñi parce que pendant une demi-heure. Alioune Sarr mi ngi téel le public en haleine ba kenn sax ñemewul a génn kenn wuyuwul téléphone kenn demul fenn parce que li mu doon wax am na solo donc daañu ci tiir ay ay ay enseignement yu bari après n'est-ce pas pour que mën a préparer yi nga xamante ni moo nekk suñu kanam incha allah. xalaat ngeen numéro invité prochain invité xalaat ngeen waaw xalaat nañ ci xalaat nañ ci mais après dinañ ko gën a mûrir incha allah buñ ci prononcé rek dinañ leen ko wax comme ça ñu euh, ñëpp jot ci pour que ñëpp mën ko préparer incha allah chaque semaine bëgg ngeen ko def waaw effectivement chaque semaine bëgg nañ ko def su fekkente ni la yàlla maye woon n'est-ce pas nangu ko chaque semaine incha allah bëgg nañ ko def ànd ci le coordinateur Habib Kane toujours rek lu jëmale es kanam lu jëmale encore une fois de plus euh, réew mi kanam merci je commence par euh, féliciter le cadre qui a organisé cette euh, journée et euh, souligner également la pertinence euh, du cadre et du format qu'ils ont, ont mis en place pour nous permettre de, faire face au Soi. Donc je félicite vivement les jeunes du cadre et Habib à, leur tête. cela a été une première expérience et ce sont des plateaux qu'il faut multiplier euh, déjà nous remarquons la diversité, la pluralité de la presse tiessoise. je pense qu'on devrait euh, être très enthousiaste à nous mettre devant cette presse pour parler de notre cité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évoqué euh, les fêtes société. nous avons parlé également de notre expérience à côté des enfants, parce que personnellement, nous en sommes à notre 20e année d'accompagnement des enfants au niveau euh, accompagnement formel. Je pense que depuis 1997, nous sillonnons euh, toutes les rues, toutes les maisons pour voir comment accompagner ces enfants, mais surtout être à l'écoute. Nous avons été dans un processus de recherche. Aujourd'hui, nous n'avons pas regretté parce que euh, il s'agissait dans un premier temps de, de voir en face ce que ces enfants-là vivaient. Mais ce sont des perceptions qu'on ne peut pas avoir en une année ou deux années. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux dire sans prétention que je suis à l'aise de communiquer avec la presse sur la problématique de l'enfance au Sénégal. Euh, pour avoir été sur ce terrain de recherche pendant une vingtaine d'années. Je disais tantôt que c'est un fait hasard parce que c'est ces petits bambins qui sont là à côté de moi, c'est une équipe que j'ai accompagnée, ils avaient moins de 5 ans. Ils font partie et aujourd'hui, comme par hasard, ils sont venus nous accompagner ici. Mais ça nous a permis de voir qu'à Thiès, il y a des urgences sur la condition de l'enfance. Euh, c'est fort heureux qu'il y ait un cadre départemental de protection de l'enfant qui fait partie des cadres au niveau national qui sont des références. Euh, autour de ce cadre-là toutes les organisations. C'est un plaidoyer également que je lance. Nous sommes en train de regrouper toutes les organisations qui travaillent en faveur de l'enfance à Thiès. Euh, les problèmes des enfants sont, pluriels parce que moi je dis que c'est euh, les enfants ils subissent le plus les les difficultés qu'on rencontre au niveau même national. J'ai dit tantôt que si les, enfants, jeunes se plaignent que la précarité euh, euh, s'acharne sur eux, mais on ne pense pas souvent à ces enfants-là qui en silence sont en train de souffrir. Souffrir, c'est quoi euh, Vous savez, au niveau de nos familles, il faut voir la situation matrimoniale de ces enfants-là. La plupart de ces enfants ont des mamans qui n'ont pas beaucoup de revenus. Mais également, il y a, c'est une euh, catégorisation qu'on peut faire. Aujourd'hui, je mettais en priorité les enfants qui sont dans la rue pour ne pas en faire des fils de la rue, <laughs> comme on dit souvent les enfants de la rue. Mais ces enfants-là, je crois qu'un seul cas est une priorité. Un enfant, sa place, ce n'est pas la rue. Un enfant n'a pas à tendre la main pour vivre. Et également, nous avons des ONG et des organisations qui passent à côté. Il faut qu'on se dise les choses en face. On a vu beaucoup d'organisations qui parlent de services offerts aux enfants. Ces enfants, on n'a pas de service à leur rendre. ils ont des droits qu'on doit leur donner. Malheureusement, on confond toujours ces, questions-là. Il faudrait poser le problème de ces enfants-là en termes de droits à leur octroyer. Et souvent, j'ouvre une parenthèse pour dire à Babacar que on nous demande souvent de rester les droits des enfants. On parle de droits à l'éducation, droit à la santé, mais je rappelle souvent que parmi les droits figure, figure la communication sur les droits de l'enfant, c'est aussi un droit des enfants. Donc c'est une obligation pour toute la presse de parler sur les droits des enfants. C'est un droit, ce n'est pas une faveur qu'on fait à ces enfants-là. Et aujourd'hui, c'est heureux que toute la presse soit se mobilise pour qu'on parle de ces questions. On est en train de parler des enfants talibés. Nous sommes en période de, euh, de froid à Thiès. Nous tous, nous sommes couverts. Nous marchons bien au chaud. Nous dormons également en mettant euh, les conditions qui nous permettent d'échapper à ce froid. Mais où sont ces enfants talibés Ils sont là. Regardez comment ils sont vêtus. Mais ça ne nous choque pas pour nous parce que ce sont juste des talibés. On ne met pas au devant que ce sont d'abord des enfants avant d'être des talibés. Je pense que c'est nous qui avons des problèmes. Nous les adultes, nous avons des problèmes par rapport à ces enfants. Pour appréhender cette problématique, il faudrait que nous-mêmes, on se regarde en face et qu'on réfléchisse davantage sur la problématique de ces enfants-là. Où se situe la responsabilité des parents de La responsabilité, elle est à tous les niveaux. Elle est à tous les niveaux. Parce que je disais tantôt que, pourquoi je dis à tous les niveaux <laughs> Je commence par la responsabilité de l'État sur cela. Il faut qu'on ait ce courage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas sanctionner un Serindara. Je n'ai aucun pouvoir sur un Serindara qui laisse ses enfants traîner dans la rue. Je n'ai aucun pouvoir sur un parent qui s'occupe mal de son enfant. Mais je pense qu'il y a une volonté étatique qu'il faut mettre en place. Et c'est dans ce cadre-là que les CDPE gagneraient à être organisés. J'ai félicité tantôt l'État du Sénégal sur la mesure courageuse de mettre en place un ministère chargé de la protection de l'enfant. Ça, c'est un signal très fort. Mais il faudrait y mettre du contenu et je pense qu'on va dans ce sens-là. Euh, Maintenant, plus euh, présent, les femmes s'activent autour de ces AVEC. On sait que quand même votre euh, structure a, fait des résultats dans ce sens. Aujourd'hui, rien que euh, vous avez avancé des chiffres. Plus de 400 femmes qui se réunissent chaque 400 semaine. de femmes. 400 groupes de femmes. Donc c'est un exemple patent pour euh, sortir ces femmes, en fait, pour leur assurer Moi, j'ai préféré souvent marcher en marge des slogans. On nous a tout le temps parlé de leadership féminin, d'autonomisation des femmes, en mettant du creux là-dedans. Je pense qu'on gagnerait à être concret avec les femmes. Euh, nous avons effectivement mis en place des stratégies. Et ça fait partie des solutions. On ne peut pas dire à toutes les mamans euh, ont un préjugé favorable pour bien s'occuper de leurs enfants. Mais si elles n'en ont pas les moyens, il ne faudrait pas tout de suite sanctionner tout le monde. Mais il faudrait les mettre dans les conditions d'avoir des revenus qui leur permettent de s'occuper de leurs enfants. Vous savez, la problématique des AVEC a été dévoyée, parfois même on l'a utilisée politiquement. Mais quand nous démarrions ce concept, la première cible de femmes, c'était les mamans qui ont des enfants de moins de 5 ans. Nous, nous avons commencé avec cette cible catégorisée. Les enfants de moins de 5 ans parce que Beaucoup d'enfants, dans ces conditions, ne fêtent pas leur cinquième anniversaire du fait de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est une stratégie qui a été adoptée par les femmes. Le leadership féminin, nous l'avons vu dans cela. Mais euh, comme euh, c'est des résultats qui sont là, aujourd'hui nous sommes à presque 600 groupes de femmes qui sont entre 25 et 30. J'ai dit tantôt, j'ai interrogé la salle. Les femmes, en moyenne, économisent au moins 3 millions par année et ces 3 millions sont répartis entre elles sans apport bancaire. Nous sommes partis de cette analyse parce que, comme j'ai dit, nous avons été à la base de la création de certaines grandes mutuelles au niveau national, que je ne veux pas citer ici. Mais si aujourd'hui que ces femmes reprennent cette formule bancaire, sans aucun sou d'aucune institution financière, ces femmes se réunissent chaque semaine au moins une fois. Donc 600 groupes, c'est 600 réunions que nous tenons chaque semaine. 600 réunions, mais ça c'est un signal aux décideurs. Il faut mettre du contenu. Maintenant que ces femmes-là se répartissent, j'ai dit 3 millions, mais prenez, j'ai pris pour que le calcul soit très facile, 400 groupes à raison de 2 500 années, mais ça fait 1 milliard que ces femmes ont mobilisé. elles le mobilisent chaque année, sans tambour ni trompette. Mais où va cet argent cet argent retourne dans les familles. Il faut faire un tour à Thiès. Il faut voir dans les marchés les lignes qui se développent. Il faut voir après Diassap, quand les femmes qui vendent là-bas te disent que tout ce que nous mettons maintenant sur notre commerce, c'est grâce à nos avec. Donc c'est un phénomène qui est en train de, euh, de, voir jour. Mais c'est une stratégie qui est très lisse. C'est une stratégie qui se fait sans publicité. Je crois que la première fois que ces femmes-là ont euh, voulu créer une convergence au niveau de Thiès, parce qu'ils m'ont toujours reproché, bon, nous travaillons en cachette, Et le temps qu'on puisse montrer que nous avons toutes ces femmes-là en commun, nous les avons mises en réseau. Et ces réseaux-là, je pense qu'il y a eu trois aspects très positifs dans cette, organisation des femmes. Quand ces femmes te disent que nous voulons nous connaître nous toutes, mais nous voulons créer cette mobilisation à la promenade des soirs Mais dans le leadership, l'autonomisation, il n'était pas question que le transport soit donné à ces femmes. Si elles sont convaincues, elles doivent prendre de leur poche et venir à cette réunion-là. Donc il n'y a pas eu de transport. Il n'y a pas ici distribution de tissus. Ces femmes elles-mêmes se sont habillées tout en blanc parce que chacune en avait. Sinon, elles prennent 2000 francs, elles vont le faire. elles ont dit, nous allons mettre les 300 avec des pièces. À l'époque, c'était 300 chaque avec dans un quart de 25 à 30 places. Et nous allons prendre 10 000 francs pour payer ça parce qu'elles ont une caisse de solidarité. Et nous serons à la promenade des soit à l'heure avec, plus à l'heure sénégalaise. Et ça également, c'était pour casser certaines habitudes. Nous tous, on ne peut pas être fiers de parler de l'heure sénégalaise et que nous soyons dans notre confort. Mais avec ces femmes, au niveau communautaire, elles sont habituées à respecter les heures. Et vous tous, vous l'avez vu, à 4h, à 16h, il y avait plus de 4000 femmes qui étaient à la promenade. Vous l'avez tous filmé. Euh, peut-on prendre l'exemple des affaires comme une réponse à la... mal de, de faire face au Tiessois sans parler de la problématique des chemins Parce que personnellement, comme presque la quasi-totalité des Tiessois, je suis fils de cheminot. Et j'ai vécu dans la cité ferroviaire, je suis né à la cité Balavé, dans la cité ferroviaire. Et j'y vis jusqu'à présent. Ma famille est toujours là-bas. Donc je suis le prototype du fils de cheminot parce qu'à plus de 50 ans, je suis encore <laughs> cheminot. Mais cette question, elle est très sérieuse. Au moment où on parle du chemin de fer, au moment où on parle du train express, il ne faut pas mettre une concurrence déjà entre le terre et le chemin de fer. Ce sont deux choses différentes. Mais il faudrait que les soient se mobilisent et essaient de faire comprendre à l'État, aux décideurs, que le chemin de fer est encore essentiel. Et il faudrait pouvoir le démontrer. Mais moi, je parle en termes de, lobby. Vous allez voir que le transport se développe. Le transport routier se développe à grande échelle. Vous avez vu des stations d'essence qui naissent à tout bout de champ. Mais ça, c'est la promotion de la route contre le chemin de fer. Il faudrait combien de camions pour transporter ce que transporte un seul train Mais dans un train, chaque wagon, chaque conteneur met à la capacité ou dépasse la capacité d'un camion. Donc où se trouve le problème Mais aujourd'hui que nous sommes en train de passer à côté, parce que la problématique du chemin de fer, euh, je crois même dans, mes études à l'université, j'ai été accompagné par un, professeur, parce que j'avais la curiosité de lui dire que la solution même à la crise cesse peut passer par le chemin de fer. Et là, en tant que soir j'ai bien posé mes mots, et ce n'était pas gratuit. Parce qu'à l'époque, nous qui habitons, moi j'ai habité à la gare de Thiès. Mon grand frère a été chef de gare de Thiès. Avoir été chef de gare de Dakar. Donc je sais ce que je dis. Mais quand vous habitez Thiès, je leur disais que moi en tant que Thiessois, je suis plus proche du Malien que du Casamance. Ah, Mariam. Je suis plus proche du Malien que du Casamance. Pourquoi Parce que chaque semaine, l'Express quitte Bamako et amène près de 1000 Maliens à Thiès on mange les mangues du, Mali avant les mangues du Sénégal. Au moment où on nous amène les mangues du Mali, les mangues de Ziguinchor pourrissent. Parce qu'on n'a pas de moyens de transport pour les amener. Au moment où on prenait même jusqu'au... Euh, euh, tous les petits fruits qui venaient, même le pastèque nous venait du Mali, on le prenait avant. Mais quand on nous transporte en masse, des milliers de Maliens viennent à Thiès, des milliers de Thiessois vont à Bamako. Et qu'à Thiès, on est le quartiers Mbambara. On est euh, une expression réussie. La plus grande expression réussie de l'intégration africaine, c'est Thiès. Pourquoi C'est par le chemin de fer. Parce que nous avons été la capitale de l'Afrique occidentale française. Mais faites le tour du DVF. Les familles que vous voyez là-bas, ce sont des familles qui viennent du Burkina, l'ancienne haute Ce sont des familles qui viennent du Bénin, du Dahomey. Ce sont des, parce que tous les cadres africains habitaient ici à Thiès. Et qu'est-ce qu'on appelle intégration africaine Quand vous voyez maintenant que des Koulibaly s'appellent FAL, <coughs> ça c'est le modèle qu'on voulait pour toute l'Afrique. Et ça s'est passé à Thiès. Mais au même moment, où était Mariam Koli À Ziguinchor, pour y aller, on traversait un état pour y aller et pourquoi pas le transport de masse comme solution. Et le chemin de fer est un transport de masse. Aujourd'hui à Thiès, c'est la ville la plus minière du Sénégal. On a des phosphates partout, on est dans une zone où il y a le, toutes les, mines recherchées dans le monde sont ici. Le zircon qui est là, j'ai un ami, je lui rends hommage d'Aourdien. <laughs> On a fait le lycée ensemble, on rêvait de ça. Hassan. parce que cadre bi ni ñu ko waxee lii dafa war di am si biir Thiès foog naa dajale presse bi yëpp ñuy waxtaan si Thiès dafa am solo donc euh, ak initiative bi ñu am projet bi ñu am di ko décentraliser dans les quartiers tey ñu ngi fii si restaurant mais demain après demain il compte descendre dans les quartiers pour waxtaan si loolu c'est une excellente chose euh, beneen bi mooy que dañu am tribune pour wax ñun si li ñuy tuddee suñu passion mooy que ñun dañoo jàpp ni Euh, le pilier du développement pour un pays, c'est l'enfant. Ce n'est pas la femme. En tout cas, Mango Ce n'est ni la femme ni les jeunes. Mais ce sont les enfants qui sont les piliers du développement. Excusez-moi. Si nous avons bureau xalé réew mi jëm kanam suñu fàttee xale yi méttital leen toroxal leen xale yi seen àq dal ñu fayeeku si mi du développe boo demee fii rek pour romb nga xamee ne jigéen ay lañu soy taxaw di joxe sa njaay jigéen ñëppay daw ci waaye ñan ñoy nek si ginnaw ñi tank jëlu ñu xalé yu to len lolu frein au développement la fofu la commencé ya beaucoup de jigen ñu bari xalé ñoo len gàllankoor parce que créé wuñ ay cadre to len <laughs> donc xalé yi ak suñu euh, mbokk talibé yi ñom ñi ñëw tamit ay Thiessois lañu bok ci face à face bi donc ñoom ñu bàyyi xel ci sedd bi bàyyi leen xel si dàll yi bàyyi leen xel fa ñuy fanaan bàyyi xel daara yi tàkk si sedd bi barki dem rek mbuur xale yu bëri faatu nañ ci ñu xam ni mbiru xale yi du lu ñuy laam-laamee xale yi amuñu jotu politique xale yi seen cas dafa urgent ñu ngi siy gërëm gouvernement du Sénégal mi tànn ren taxawal ministère chargé de la protection te man li ma siy sant yàlla mooy ministère boobu ministre boobu la dëkk te mën naa ko waxit ministre la boo xamee ni ba mu ñëwee seet si na ma man en tout cas ba sama bureau ñëw na ba sama bureau toog ñu waxtaan mu ne ma li may dégg nga koy yëngatu ci xale yi laa bëgg wax la ni man sama bopp bi ma jëlee loolu ñëw naa nga waxtaan ak ñun ci xale yi seet luñ ci mën a ba keroog it ñëw nañ waxtaan ak sëriñ daara yi réunion boobu dafa bett sëriñ daara yi invité wuñ ko elle est venue spontanément comme day daara ñëw muuru toog déglu leen quatre heures de temps ba waxtaan bi jeex mu jóg nuyu sëriñ daara yi ñu ne ko yaay kan mu ne ah man de may ministre de la protection waaye loolu indiwu moo dama ñëwoon pour déglu si leen Cees laa dëkk waaye ñëw ma pour yëkkati ay nit wax ju bëreeg leneen mais mbiru xale yi daf ma soxal te dama bëgg bépp Cees waa ñu jàpp si ànd kooku waajur yi moom seen waajur seen seen seen wàll def see bëri parce que lépp ñoom lépp waajur yi xale mënu lakkal sonal la ba nga jël ko joxe ko boo ko joxee war nga koo topp donc responsabilité boobu bokk na si li ñuy invité les décideurs pour ñu jàpp si. mais ñu ngi dalal bu baax le préfet de Thiès monsieur Fall bi ñëw ni priorité am daf ko accordé CDPE maanaam kuréel bi toppatoo xale yi keroog waxtaan nañ ci presque lu yàgg mu wane engagement am pour nekk nu xale yi biir Thiès. si lu ñuy terminer chemin de fer nag chemin de fer moom. bu ñu jàkkaarloog Thiès waaye te waxuñu ci chemin de fer dañu jàll suñu yoon man mi wax naa sànq ni sama mémoire ci chemin de fer laa ko bind bind naa ci la ma xamoon jamono boobu ah leen ci bindoon dégg nañ ko jàpp nañ ko waaye résultat yi ñu ci doon mëbët moom la ñu gis waaye li ñu jàpp tey mooy que chemin de fer ku d'accord mu tëdd nelaw mooy xamuloo ah boo gisee daf ci am ay symbole tey terre mu ngi dox train à grande vitesse la waye bo waxtane ak cheminot dañ ah train à grande vitesse de buñ ko yobone ba malé wala ba ba kédugu dañ dina gëna dox parce que bo jëlé grande vitesse si distance bu gatt bu amorcé rek àgg na si gaar bi te gaar yi dañu xaw bari lolu mag ñe ko wax donc lolu bo tax ñu né ñom bo leen bolé ci xalaat bi mën nañu indi lu bari may wax nak ni chemin de fer ñun ñëpp daf ñu tenir à cœur li ci stagné bokk na si chemin de fer li mu na sax ah man mi yore équipe bu union sportive du rail xam naa <laughs> loolu tamit dal na ma mais Thiès yëpp la dal donc tey ñu ñaan chemin de fer damay wax ah, mag ñi nga xamee ne yóbbu nañ leen retraite ñu nekk muy cité Balabé cité ouvrière cité feneen savoir bi nekk seen bopp si wàllu chemin de fer ñu dem formation bu nekk école africaine yeeg européenne yëpp lañ jaar mais tey ñu ngi fii toog. defuñ dara kenn utiliser la woon si réew mi mais ñooñu bu ñu demee waxtaan ak ñoom mën nañu indi lu bëri. xëy na Thiès wala Sénégal mooy doxee noonu bu dul plateau yu mel nii ah, ay ndomb tànk grade amulul kenn solo parce que ñun moom lay wax toujours nañu bàyyante xel ñun cees parce que amul complexe bu ñu mën a am ak kii que ce bu dee si wàll bu mënti doon mën nañ ci taxaw te liñ ci waxtaan man chemin de fer boobu def nañu ci consultant international ci prévention du premier projet sous-régional de lutte contre le VIH. équipe bi ma ci doon liggéeyal ñëpp ay consultant senior lañ yàlla def ñu jiital ma ci tey ji ñoom ñëpp a ngi fi boo leen tuddee biir wala ñu seetaan biir télé ku nekk dana ci yéemu ba ci école équipe communautaire de santé yi di yëngatu mooy ñooñu laay terminé te moo waroon see commencé mooy relais communautaire. ñi ñuy wax ARPV yalla def na en 2004 man lañ joxoon ma def sen formation fi ATS mais ñi tëggoon liggéey bi dañ ci bëgg parce que tay ñepp xam nañ ni liggéey bobu ay sommité ñoko def ki defoon la partie juridique moy l'actuel ministre de la justice donc ñooñu it ah bu ñu àndee ñu bokk ben équipe ay pool d'experts ñu liggéey ci ñun ñu denk ñu ties ñu waxtaan ci ba lolu aboutir ah bu ñu paree dañu wat suñu mais nak nga xam ni ah loolu tamit buñ ko toppee Thiès seen i personne ressource duñ leen jëriñoo bu baax mën nañuy fexe ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay mais nañu xam ne ah Babacar mii kat am na compétence sàngam waaye du ko doxee du ko waxee bés bu nekk mu ngi kotuwaay doxeeg tànkam ak leneen donc loolu la Habib mii def moom mi nga xamee dafa indi plateau bii tey tey li yëpp moom la et bi ñu ñëw waxtaan it je dis que ah man yàlla def na du invitation yëpp la ñuy dem. du invitation la ñuy wuyu ci parce que tamit am nañ droit ci loolu foo dem nga xamee lii ak say conviction andul bu la neexee nga taxawaat mais moom nee naa ko muy tey muy suba si loo ma woo mën naa ci ñëw ah waaw kooku moom c'est wax dëgg yàlla euh, kooku dama si euh, ñaaxaat waa Thiès yëpp ba pare tamit di si ñaaxaalee presse ñu si gën di waxtaan ñu baal ma nag man xëy na toujours may wara a mais waruñ sax di wote dañu wara créer plateau di ci discuter parce que tay ji Thiès nek na dëkk bi gëna ah si bok li ñuy déclarer bo gisé xalé yi ñuy sakku ma ngi leen wax ni semaine bi passé amna benn cas man nañ and ñu xol si gamu gi amon na benen cas boko topé ba daw xalé bi amon 18 mois ñu sakku won ko mi ngi fi mais cas yoyu di commencer di bëri mais dañ ci war a wax mais waxtaan bi dafa bëri sensibilisation bu mu laaj waxtaan si rajo yaay yi tamit dañuy sàggan parce que xale yi tamit bu ñu demee ba ñu sàkku leen foo leen xool xam ne sàggante am na ci si wàllu parents yi ak aussi ñàkk ñaaw njort ñii sàkku xale yi ñu si bëri lu tax du siiw mooy ci kër gi lay xewe su paree ñu sàng si sutura parce que kii day na a lu bëri mais sàng sutura boobu est ce que jar na ñu yàq avenir xale si tëj cas boobu pour wan leen danger bi am na si cas bu ma metti trop je l'ai vécu personnellement ba ñu sàkkoo xale bi ma ñëw jël ko en charge yaay yeeg nijaay yëpp ni ma wóolu nañ la si dox si loo ci mën ñu dox ba muy sotti waa kër ga def délégation bu mag ñoo ni ma Alioune dañ la seet si woon ci mbiru xale bi pour ñu bàyyi ko ah lan moo tax ñu ne parce que waa kër xale bu góor bi ñëw nañ jéggalu te jox nañ ñu xaalis bu bëree bëri waaw ma ne mën naa xam xaalis bi ñaata la ñu ne jox nañu fanweeri junni waaw fanweeri junni boobu moo tax waa famille bi yëpp bëgg ñu teg ko suuf pour wan leen également famille précarité boobu ñu nekk tëjee nag si bourse de sécurité familiale yi ñu ngi leen wax ni ku si soxla information mën na ñëw kajoor jànke est ce que mën nañ xam le taux de pourcentage ngeen la pourcentage yu xale euh, pour le moment amul recherche xam nga man damay moytu joxe ay ay taux te amul recherche bu ko lal mais li ñuy xam mooy boo seetee CEGID bi tàkk keroog ak doyen pap Gueye bokk nañ ak saw service accueil et orientation bi nekk ci CDP am na service accueil orientation cas yëpp actuellement ñu ngi mettre en place des comités de quartier pour quartier bu nekk am comité de protection mais comité de protection yi dugal nañ ci ñëpp mais les journalistes dañ ci war a parce que ci quartier yi la xew donc loolu également processus est bu ñuy développer pour que alerte bi di mën am au premier niveau muy am si biir kër yi tey am na une équipe que je vous recommande aussi d'aller voir c'est une équipe de jeunes filles ñoo xamee ne kenn jàngu si ay ñii jànq lañu woon si kër yi domestique de maison ak leneen tey ji ak Kajoor jànkeen fexe nañ ba créer leen ay centre de formation qualifiante soxlawuñu diplôme mais na xale yi mënal seen bopp ay xale yu jigéen nañ tey ji xale yooyu ñoo nekk les premiers acteurs de la protection ñoom ñëpp am nañ seen métier ñu ngi liggéey di jaay di am lu ñuy suturloo seen bopp mais tey ji boo demee garage chaque jeudi ñu dem gare routière wala dem benn lieu pour seet xale yi toppatoo leen